à admissible. Et à cette veille de carême, perdre des enfants en très bas âge comme ça, c'est vraiment un événement triste. Et toutes les condoléances euh, aux familles, toutes les condoléances, nous partageons leur douleur parce que c'est les enfants de tout le monde. Euh, donc nous sommes euh, vraiment tous affectés et nous ferons tout pour que les auteurs, si c'est un crime, que les auteurs de ce crime la soient retrouvés.